Euh, suñu gan niñ leen ko doon waxé sank Moussa Balla Fofana la mom euh, moom moo bind and ak euh, Ousmane Sonko livre bobu ñu naan les territoires du développement nekk itam banquier mom lañuy dalal tay jilé ci waxtaan bi tay liñu wax ni ci Mali dinañ ci wax laataa ñuy sóobu ci leneen limu bind señ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jamm ma ngi leen di nuyu nata di nuyu seen équipe amna mbekté mbégte lool ñëw seen plateau tay mhm di ziar bu baax baax. d'accord merci beaucoup alors euh, Cherif, euh, waxtaan bi gis nga ko moy bataxam mi ngi noonu livre baa ngi les territoires du développement mu and bind ko ak Ousmane Sonko euh, jiite lii di Pastef dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti la laataa ñuy sobu ci livre beeg liko wundu xagn na rek dañuy enchaîner Cherif, tuuti quelques mots ci situation bi li xew fele ca Mali Mali ndax mom banquier la. Moussa Balla banquier le consultant international en financement planification ak conduite de projet ancien conseil technique du cabinet de décentralisation du gouvernement Sénégal 2012 2013 comme ni le euh, comme xam-xam comme euh, Moussa Balagina qui bi ñu li déjà ci yi contre le Mali. Je vous remercie pour remercier émission comme euh, depuis le Canada je vous regarde chaque matin C'est vraiment un plaisir. <laughs> Euh, c'est beaucoup. une décision bu d'un point de vue sociologique C'est incompréhensible D'un point de vue économique ça n'a pas de sens et d'un point de vue purement politique ça pose problème politique parce que nous sommes des panafricanistes nous sommes une unité des nations décision que mel beaucoup pousse surtout le peuple malien Nous questionner l'unité africaine donc pour me premier problème Ce n'est pas très stratégique d'un point de vue purement économique conséquence est grave parce que embargo et j'apprécie vraiment cette analyse c'est vraiment pertinent embargo le prix yi augmenter parce que les produits day manquer au Mali parce que a fermé les frontières les prix vont augmenter prix sont augmenté c'est les Maliens c'est les ménages maliens qui vont avoir des difficultés d'un point de vue d'un point de vue financier te problème du jour jur coût d'état am na li qui bëgg y une transition que le bi euh, bañ am que peuple et ak militaires yi waxtaan mais si bëgg mais pour toucher l'économie nga laal poche malien yi andi commencé à faire dans leur quotidien nous avons créé une division entre les York qui en ce moment la population Cette division boobu mën na armée deux groupes armés guerre civile c'est extrêmement dangereux Ce def nii grave d'un point de vue purement sociologique je ne comprends pas la décision au Sénégal parce que notre relation avec Mali nous sommes des pays frères sa frère sont bu juumee wala mu tooñ wala mu ne ci la da position je ne le comprends pas mm-hmm. mais est-ce que le Sénégal a une position parce qu'il faut beaucoup d'organisations sous-régionale qui même mun avec ses pairs nous désolidariser je peux le comprendre par contre décision de quand tu l'analyses pertinence décision j'ai l'impression que ça arrange les pays étrangers ça arrange plus la France qu'autre chose parce que y am une coïncidence entre l'arrivée des forces militaires euh, russes nous avons des mercenaires mais on sait très bien que c'est la Russie qui est derrière andi intelligence militaire on l'intelligence militaire française ça n'arrange pas la France et puis nañu waxante aussi Pour analyser l'évolution de l'histoire c'est des professeurs français qui théorisent les la frontière les frontières coloniales de l'Azawad la position France ben moment donne na wax solution Mali ce serait peut-être la division donc il faut qu'on soit les militaires ne sont pas intelligents ils ont compris qu'ils ont une une divergence entre ni France gisee solution bi ñoom dañ Mali rester uni mais France doit mettre sur la table une division donc purement stratégiquement. Mhm. am na un problème. donc mhm. ñun sommes ji Sénégal kenn du nangu ñëw naan ñu Casamance day Sénégal. Mhm. donc pourquoi ce discours là. mais Moussa est-ce que est-ce que Sénégal France plutôt weexul donc parce que nous avons une influence ci Sénégal ci Côte d'Ivoire ci Bénin mais quand même nigeria ak Ghana si des lan beaucoup nous nous nañoo jàpp ni France mën leen effectivement c'est un jeu d'influence. débat là, on a des chefs d'État qui sont autour de la table et on sait qu'il y en a trois ñoo ont ne sen intérêt dafa d'ailleurs c'est un intérêt parce que intérêt Sénégal nekkul ci embargo bi Vous allez éviter pour 30 minutes pendant à la fin de ces 30 minutes le Sénégal aura perdu 68 millions ci décision bi c'est 3 milliards moy maliens mhm. chaque jour on parle de 474 milliards Afrique de l'Ouest Afrique occidentale les milliers consommé ci suñu alal c'est environ ça autour de 1500 milliards Mali c'est plus de 400 milliards ban état bo intelligent moy guen ci Covid 19 On da un plan de relance économique nga bëgg couper ses relations économiques avec Mali tu viens de lancer un nouveau projet port de nek Mbour l'un des projets qui que c'est pertinent nga def ci alal yu bari ba nga embargo ça n'a aucun sens et puis il faut dans la vie il faut savoir que coup être militaire ken bëgg ko su il faut être stratégique ñom proposer nañ un plan de refondation organiser nañ ay assises nous reconnaître que c'est quelque chose de bien man vous conseil reconnaître les nous poser, pousser nous discuter vers une nouvelle constitution respecter les principes de l'UMO rapidement organiser un référendum pour voir c'est quelque chose de bien pousser nous organiser des élections municipales par exemple pousser les nous vers des élections législatives pour l'Assemblée assemblée nationale bu taxaw ba dem élection présidentielle Mali li analyser situation si nous une bonne transition minimum au minimum ça va prendre deux à trois ans donc négociation les militaires ils sont déjà là je ne pense pas que la force une solution bi mm-hmm. militaires quand ils arrivaient il y avait déjà 11 maliens maliens qui ont été tués avec les avec les contestations le mouvement populaire d'Imam Diko 11 maliens étaient morts les militaires jusqu'à présent ils n'ont tué aucun malien bon IBK de ces candidats critiquer, ils n'étaient pas d'accord. il y a l'opposant le plus sérieux qui a été tué, Bougnou il IBK refusé d'organiser les élections législatives pendant plusieurs années. Donc, nous avons sociologie, relations économie et purement stratégie. Est-ce que la force va régler les solutions Il y a aussi bien le problème de légitimité. Les trois pays qui ont influencé les surtout Djégué, Côte d'Ivoire il y a eu un putsch dernièrement nañu y a eu li président Côte d'Ivoire def. coup d'état coup d'état constitution Macky Sall mi nga aujourd'hui, ne mooy diriger aujourd'hui constitution il ne la ni oui ni non mais ni mom, moom une constitution bi ba créer des suspicion autour de ça. j'espère qu'il va respecter sa parole donc ils ont peur pour leur faute ils ont peur pour leur faute et je suis vraiment triste parce que l'unité économique moo ñu andi euh, une union africaine de Gao. aujourd'hui on prend une décision en plus il s'appelle CDAO, quoi c'est-à-dire que a économie en train de c'est une décision qui ne fait aucun sens d'un point de vue économique c'est une décision qui nga xamante division au niveau au niveau du Mali population est nañ train de se faire. gën a militaire militaires sont divisés. diviser division ci guerre civile et ça c'est une catastrophe. monsieur Fofana euh, sans dama bëgg ñu taxawaat ci impact bi muy nar am ci euh, ci civil peut-être pour pour rassurer. Mhm. Euh, dafa que décision yi du impacter civil mais surtout militaire yi. Mhm. alors moi jusqu'à présent je m'interroge est-ce que nous une une stratégie bi nga xamante peut-être CEDEAO mën na ko au Mali même pour ne pas que civil yi mën les décisions. mais avons une stratégie territoire pour nga absent aujourd'hui c'est le peuple c'est les militaires qui sont sur place et puis nous avons dëgg décision bi ils vont taper sur les recettes ils vont taper sur les recettes s'ils tapent sur les recettes les militaires ils ñoom pas problème financier pas un problème moraliste. par contre les populations ils ont une activité économique ont def problèmes de poche ñooñu dañuy parce que la décision de Bonnet, je vais empêcher les produits d'entrer au Mali donc produits yi fa nekk valeur de ils yéeg de l'inflation. créer benn inflation inflation vous ngay créer produit bu doublé rek malien bi va dépenser plus malien bu do dundee 100 000 les 200 000 mille lay lay soxla da ngay créer division dans un pays déjà divisé avec des militaires yo xamné le principe de la transition Nous, négocier xamné on doit être aux côtés des peuples boo organiser assise def refondation ba nit ñi jàpp ne li nga proposé ni baax na da nga war véritablement jéem a négocier ak ñoom mais cette option pour utiliser la force du jur jàmm et c'est regrettable. Mm-hmm. Euh, ginnaaw euh, Mali voilà dañuy euh, ñëwaat ci livre bi Moussa Balla Fofana Chérif ma bàyyi la rek nga wax mais lan ban jàngat ngeen def ci wàllum décentralisation ak ni ñu koy doxalee ci réew mi ba tax ngeen gis nécessité. Mm-hmm. bind livre bi ndax yéen ngi junj ci acte trois de la décentralisation nga xam ne ñëpp nañ ni lajj bu mag a mag la ci réew mi. La djibou magla, l'acte de la centralisation. Ce que j'ai dit, j'ai été conseiller technique. Quand nous fallait Macky Sall, le cher Bamba Yenu, le ministre, me demandé de quitter le Canada. Mhm. Acte 3 apporte mes premières notes. l'alerte de politique sectorielle, si je suis je suis profondément déçu de l'acte 3. Parce que l'acte 3, nous avons construire des territoires viables par rapport à la nature des sols au Sénégal par rapport à notre sociologie mhm. par rapport à la régime des pluies Les lu nga que que sociologie et économie nous reconstruire les territoires jox du financement ci livre on propose lu nga appliqué on va être cité parmi les meilleurs pays africains vous savez décentralisation décentralisation c'est 25 du budget les pays émergents donnent 35 parce qu'ils ont compris mhm. que doomi gox tabac les pays développés sont à 50% du budget géré par les collectivités locales boo en Afrique nous avons dépasser 7% Sénégal mi nga une élection yi coow li li dépasser 3 à 4% du budget à la décentralisation L'utilité que nous bi c'est on va ramener les régions naturelles les 8 régions naturelles Nyambour, Bawal Kayor Andiwat Casamance Andiwat le Ferlo région yooyu ñu jox cinq compétences de plus les lu jëm ci agriculture élevage pêche ak les lu jëm ci industrie mm, mm, mm. jël près de 25% du budget dans le premier quinquennat 35% mm-hmm. dans le second quinquennat ñun li ñu bëgg mooy mm-hmm. pouvoir ñun pour ñun décentralisation du ministère c'est le pan autonome du pouvoir exécutif suñu objectif mooy fexe askan wi jël en charge le développement parce que si ngeen génnee seen kër décentralisation Si su ma génnee sama kër est-ce que sama poubelle jël nañ est-ce que a un trottoir bu may est-ce que a un tram verte est-ce que y un abribus bu sama doom yi mën est-ce que a un bouche métro est-ce que bu ma un service permis est-ce que service administratif est-ce que un quartier fonction résidentielle fonction économique il am une stratégie est-ce que a un service est-ce que a une fiscalité C'est la véritable question question de développement débat technique le livre

Pardon Beaucoup de parti. Ah si, moi je suis, je suis du parti. Ah, Bien évidemment. C'est ça. Vous pouvez une production scientifique, nous nous verser dans le cadre de production scientifique, hein, sur la décentralisation. Choix, de l'adosser à Ousmane Sonko ngeen bindandoo ko. Mhm. Euh, choix boobu euh, yow est-ce que gis nga ni luy servir xam-xam bi ngay verser ci livre bi la wala da nga bëgg ñu féetale ko bor mu doon livre programme Ousmane Sonko, par exemple, en matière de décentralisation Le programme de Ousmane Sonko s'appelle Bourok. C'est tout à fait autre chose. Ça propose un plan de développement local, un plan une contribution au programme d'Ousmane Sonko, alors C'est différent, parce que ce livre parle, ne parle que du Sénégal. Trois chapitres, diagnostic à cadre cognitif que nous proposé, dispositif de gouvernance, région, département, ville et commune a pu proposer une ingénierie financière pour comment financer C'est ce livre on a voulu le faire mu nekk lu lire mu am qualité même pour nos étudiants on a beaucoup de débat politique dans ci livre bi li tax nag ñu génnee ko heure bi imposer un débat élevé sur question décentralisation Et aussi que bokk sama gëm-gëm la politique soo quoi def da nga war am xam-xam ba nga mën a mën nit ñi luñ xamul woon jox leen espoir defal leen liguey bi politique du rek élection locale du ambition personnelle c'est des projets des communautés de territoire c'est un débat boobu leen bëgg imposer imposer ñu def différence entre xam-xam ak politique non politiciens yi dañu war a andi xam-xam ci ci débat bi mhm. xam-xam mooy yor réew moo tax may faral di wax ne xam-xam du pexe nañu bàyyi pexem politique bi te teg réew mi ci xam-xam da ngeen wax meilleure administration de l'impôt local euh, euh, département bi war a nekk socle bi manam xolou mhm. li nga xamni mom moy lolu manam mécanisme yoyu euh, ci sen livre bi naka ngeen ko manam teugue ba nga xamné décentralisation bi département bi mom moy nekk xol bi moy nekk fer de lance merci beaucoup ci question parce que question la bi nga c'est un élément phare du livre xam nga fiscalité aujourd'hui dañ ko centraliser pouvoir voir mon côté, te ñëpp xam nañ ne bu fekkente ne collectivités locales yi amuñu fiscalité mënuñu mënuñu dem ça ne c'est pas possible euh, assise de 2007 euh, loolu acte 3 nous la ñu Nous, ñun li ñu proposé mooy bu ñu taxe la collectivité locale bokk ak état lan moo ci wàllam ba nous ñu région lan la ci am ville lan la ci am département lan la ci am commune lan la ci am légui dañuy denk le département mu nek le chef de projet bi nga xamné ne dans son département momo wara gérer l'assiette fiscale mom moy dem wax ak nit ñi def des politiques d'éducation approcher nit ñi comprendre leen fiscalité bi ngeen fay moy tax ñu mëna a yóbbu seen mbalit moo tax ñu seen doom yi mëna am bus éducation bobu ba nga xam ne nit ñi xamné ne un lien entre xaliss bi may jox état bi le service du j'ai. département lañ ça ne veut pas dire que il va travailler avec le ministère de l'économie et des finances parce que va rattaché directement région MOM, région de chef de file du développement économique donc te ku économie wax financement donc fiscalité amna ci wall donc région mooy ne ki nga xamné ne jëwriñ ji ñu dénk lépp luy fiscalité responsabilité bobu dafa am solo parce que buñ ko deful duñ mëna mën a légui équité bi ngay wax sank nan lay démé ci collectivité territoriale parce que gis nañ ni tolloowuñu doole doolé amna collectivité yo xamné ne li ñuy am mhm. néw na par rapport ak ñenen nan lañuy fexé ba lolu ñu mën ko xawa sax jéem tollolé parce que ñu mën see gis sen bopp ci service bi ngay wax noonu c'est excellent question bi amna équité budget il faut que ayons un budget mm. des fois les ressources sont am mais ressources comme nous collectivité locale ñu am un plan de développement économique Nous wax ak chef d'entreprise comme il le devrait décentralisation nous proposons. objectif c'est le développement économique c'est une région Si Si bu nga France la région est chef de file du développement économique maintenant pour l'équité territoriale mm. xam nga le budget bu avez la fiscalité ça veut dire que sur ton territoire am nga ay ressources deuxièmement le nombre de population bi nga am l'État. déterminer li la état jox du budget du Sénégal est ko jox collectivité locale locales. donc nous, ñu koy si nous bu les populations population yi nga dans ton périmètre ñu xool projet yi nga enclenché nous am aussi un partenariat que nous am parce que nag collectivité locale dañu am autonomie ñun suñu objectif mooy andi sur les grands projets je donne un exemple Si nous, ñun suñu priorité la sécurité dafa nekk lu am solo dañu bëgg police municipale bu qu'un tel maire bi fekk nañu ci loolu dina am benn fonds bu nga xam ne day dédié pour appuyer ko mu facilement am des policiers yu mën gérer sécurité donc équité territoriale bi nekk na lu nga xam c'est à travers des programmes importants dinañ leen may seen autonomie ñu ñu seet liñ bëgg dinañ décliner ay programmes yi nga xam ne buñ ci fekk c'est ñu financer daa joxe benn exemple mais nañ contribution économique locale bi nga xamante ni am ci Sénégal pour côté locale ni leen ces délais. Mhm. donc vous dee yow nag na li fi fekk alors que ñoom collectivité locale nañ ça pose un problème. non liñ je parle je parle de, la contribution économique locale. oui mais le problème c'est que aujourd'hui c'est dérisoire par rapport à leur budget. amuñu fiscalité bu nga xamante ni dañ ko renforcer comme il faut jox leen plusieurs possibilités. Ben, problème boobu moo am deuxièmement fonds de dotation yi c'est très faible c'est 3 à 4 du budget qu'on leur donne donc vous nga voter une loi le euh, code général des collectivités locales vous nga faire quelques taxes mais bu fekkente ne une doyul il faut revoir parce que si ki avez une ci vous amul une bonne responsabilité vous avez une que fiscalité te autonomie fiscalité bi dans jox département l'État central a ci intérêt parce que l'état va se donner à travers 47 départements yi d'équipe yu nga xamante ne nii bi non seulement dañ ci am intérêt mais état da ci am intérêt parce que du lepp lañ wara jël par exemple Ben taxe bu ñu amna montant ne état moko mom lolu day galvaniser capacité recouvrement à assiette donc ñun liñ ci xaar moy din recette bi dina yok parce que amna na lu bëri lu nga xamné tay man nit ñi war nañ ko mëna jël parce que justement collecte locale a ci intérêt wala buñ ko duñ ci donc il ne va pas le faire. livre chef Fofana finance wala lu finance parce que service yi finance ko souvent suñu collectivités yi dañuy wax ni. Mhm. amuñu mhm. ñu sax marché yo xamné jël ay taxes euh, ñu gannaaw euh, saluer peut-être bi. Mhm. xam-xam bi je peux en citer juste quelques-uns. Si vous livre un livre sur l'intercommunalité par exemple au Sénégal mu wax ni dafa am problème de discontinuité territoriale en réalité un problème boo l'aménagement ni urbain le gox yi mhm. euh, professeur Mawlud a def référence li ci bind na ci à la contribution ak yeneen ak yeneen problème c'est xam c'est transversal à mhm. toutes les collectivités mhm. pour la gestion des déchets je peux citer le livre de Sidi Tunkara, par exemple léegi mais ñooñu. finance yi nga xamni mom lañ koy défé mhm. suñu ko amul naka lañ ciy démé tu as posé une question pertinente d'ailleurs il y a un autre professeur le professeur Amadou Diop bi géré Gérard quand j'étais conseiller technique mom moñu accompagné sur la stratégie de développement territorial sur 25 ans un excellent travail qu'il avait fait xam-xam baangi fi ku ko jëfee mo fi néwul ak ku wax nan mo koy voilà pourquoi troisième partie livre bi biñ ñu diagnostic proposer une dispositif bi troisième partie bi ñu parti mm-hmm. partie complète ci financement bi parce que faut la débat bi Maintenant mën naa ko yomb na nan laa koy faut moo le débat et c'est pertinent ce que tu dis et défi boobu de bëgg a relever donc li may ñaan nit ñi rek mooy nañ jël livre bi on l'a dañ ko bind mu simple très facile à lire surtout troisième partie bi ñu du jàngat li ñu proposé te gëwuma les amoureux de la décentralisation que je connais pour avoir été le CP1, valider la lettre de politique sectorielle à 2012, si nous les livres, ils vont accepter. Mais Est-ce que vous vous êtes posé la question, parce que ça appelle cette question-là, bon et bon univers, une contribution au débat public. Mm-hmm. Est-ce que vous avez le livre, à un certain moment donné, je bind ko Ousmane Sonko wala ma bañ koo bind ak moom soo buggee à la contribution. je suis dama mon engagement politique ça date de 2008 quand je me suis dit il faut que j'étais en France déjà je sortais de l'INPL nekk étudiant Bobla laa décidé de ci politique pour man ça askan mënu la yóbbu école fay ay enseignant ñu nous la nga am sa bac lu nga xamné ne pays africain yu bari amuñ ko nga am chance tukki yar biñ la yar tax nga réussir dans plusieurs secteurs nga ne yow engager engagé wu politiquement man geuwuma lolu man je suis je me définis comme un intellectuel engagé dama assumer suma ma gëm-gëm ne politique moy défar réew suma gissé un homme politique avec qui nous ñu mo and ànd gëm naa ne gëm xam-xam parce que man loolu moo intéressé homme politique bu gëm xam-xam parce que kooku mo jara a mais dañuy ànd proposer un livre parce que si c'était un scientifique scientifique il bind nañ plusieurs livres l'avantage de ce livre c'est que c'est un livre qui prend le cadre cognitif scientifique premier chapitre bi décliné dans partie dans un plan de développement bonne gouvernance quel territoire quelle compétence? territoire de ko développement économique aménagement du territoire marketing territorial et développement des PME PMI voilà les quatre compétences fondamentales qu'on donne à la région département politique sociale suite même politique carcérale département yi di tabax prison yi gérer parce que xam nañ une jox leen commune la base viable Nous, nangu ñuy créer commune avec 100 familles de 10 personnes 1000 personnes mon nañ commune mais commune si s'en ko sampee te mënut jox service ban ban donc viabilité ni famille n'est qu'elle la cellule de base de la société africaine non le commune n'est que cellule viable décentralisation mm. parce qu'il ya une une ñëpp fii ba ngeen xëyee ci commune ngeen yeewoo bu fekkente commune ba ngeen nekk fekk nañ leen fa service bu baax di ngeen état ñii kat mi mais ci aussi parce que dans le sud de semaine passée euh, le ministère de l'industrie lancé un les agropoles yoo xamante ni ñu ngi fi. lan moo ko différencier ak yéen seen proposé c'est différent agropole c'est comme nga jël territoire def fa dispositifs def équipement produits les fa financement les nii ñëw Le agropole pôle de développement moi nga jël benn territoire bu nga xam uniformité autour de 3 à 5 éléments avons une histoire d'une boc. par exemple si Casamance wala nga ne salum, histoire bu boc. une ñu am sociologie bu particulière Une identité identité de deux territoires man ba ma ne man nii ma ne bawal bawal tag nga parce que fala judo dafa am lu def ci man ñu am ben dimension économique ethnie yu bari jaxaso di joxalante am économie fa am d'ailleurs lolu tax ñu naan monnaie locale complémentaire lolu moy njëriñ bi fexé ba monnaie bo xam monnaie boobu jur na fi ciow xam naa dina ci tontu xam euh, ñu territoire donc ñu xol économie ben ben économie ñooñu nak bo baaree ci histoire sociologie économie nga proposer ben construction politique suis la région je mu que pôle de développement Je le chef de région région jox ko compétences comme nous l'avons dit, le plan de développement territorial le plan d'aménagement le marketing territorial ak accompagner les petites et moyennes entreprises nous sëpp tous les départements à communes viables pour nous mener créer créer de la richesse au niveau. mais en réalité da définir ce bopp agropole. mais c'est pas si différent parce que agropole c'est kaay agropole quand même c'est chaîne de valeur bi pour le bay transformé non ñëwuma pour pour wax détail bi agropole. <laughs> mais c'est juste pour relever que. que concept parce que da ngeen non agropole c'est quelque chose qu'on salue Mhm. Dans mes travaux de consultation, il y a des pays africains que j'accompagne, c'est un agropole. Mhm. agropole par exemple cas agropole commune espace pour mais quand on parle pôle région de développement c'est quand même deux choses différentes on parle mhm. parle du territoire. et puis on termine euh, voilà on termine Chérif complémentaire mais justement parce que Ousmane Sonko moo ko proposé un à Ziguinchor. pour mhm. la Casamance euh, de ngeen ci bokk xalaat ci loolu. absolument ak lan la nga expliquer quoi askan d'abord xam nga réew mi lii la politique ak nous xam ne amuñ xam c'est très compliqué parce que da ngay andi xam-xam ñu andi pexe monnaie locale complémentaire pour nit ñi xam ko que ñu xam d'abord lan souveraineté monétaire La souveraineté monétaire c'est réew mu nga xam dafa am capacité création monétaire De créer monnaie de détruire monnaie am banque centrale de di financer les banques financer les banques parce que dafa bëgg taux interbancaire bi bas nous pouvons financer les ménages et les entreprises ce mooy débat souveraineté monétaire bi ça n'a rien à voir la monnaie locale complémentaire monnaie locale complémentaire CFA mën monnaie locale complémentaire parce que c'est complémentaire Donne dix mille francs par exemple nañ des durant exemple bu dee monnaie locale bu bawal dañ ko ben ben ben ben benn buy ñu des ne monnaie locale bawal pour que 10 000 francs buy circuler mhm il faut que 10 000 francs CFA de quoi donc c'est une monnaie qui a une création monnaie locale complémentaire une création monétaire Il faut que bi jël Ben 10 000 francs CFA dem jënd Ben 10 000 gouilles pour monnaie de dem consommer donc pour taire le débat ça n'a rien à voir la monnaie est complémentaire et dépendante premièrement deuxièmement monnaie locale monnaie doit servir à faire de l'investissement à faire de l'épargne à faire de la consommation monnaie locale complémentaire ne sert qu'à consommer moo monnaie la bu nga tourner beaucoup plus que les autres monnaies parce que consommer rek moo ko et qui dit consommation dit croissance consommation moyenne yor économie deuxième élément important nous n'avons pas des produits du territoire dans le développement local de l'Ugum des produits France d'accord n'ako Québec d'accord n'ako territoire bi vous vous faites fekkente ne monnaie boo xam nous des produits du territoire Vous ngay créer un lien entre le consommateur local et l'entrepreneur local Vous créer ce qu'on appelle consomme action une action de consommation qui est réfléchie tu te dis je may jël sama 10 000 francs bi jëndee ko produit yi nga France la jëm mais nako jox sama mbokk mi comme li mbeuri di wax nañu nga wax nañu suñu ba la ko nañu suñu alal dem jël bois ko Chine ak pollution Chine respecte respecter règle bois boobu ñeu nekkaat lal ñu andiwaat ko Casamance si li ci dépensé yëpp boo jëlee alal ji jox ko ki nekk Casamance dërëm gi du génn gaal gi 4e point fofu laay terminer mhm. monnaie locale complémentaire action la bu nga xamné ne buma bu sama 10000 francs CFA dem tek ko ci établissement ba ñu jox ma benn 10000 10000 gu guy par exemple mhm. benn xeer la ne ñaari picc lay jëm dina consommer comme su may tegoon sama 10000 mais 10 000 francs ba ma teg ci établissement bobu établissement bu day jël alal jooju dajalé ko dal di xol entreprise yi kan mo soxla équipement bu bees sur le le fonds de roulement tellement sur le bâtiment à financer le développement économique donc important, tu ci que ça renforce le réseau local ça a une une consommation qui est solidaire c'est du financement pour nos entreprises c'est de la création de richesse Li, lan co souveraineté monétaire ça n'a rien à donc pour terminer dans d'autres pays euh, ay France ak système yooyu déjà mais mhm. France euh, je me rappelle on l'a expérimenté à l'école de ko doon l'impact ah. des monnaies locales et monnaie locale complémentaire circule dix fois plus que monnaie comme ni on ko faire que yaa ko soufflé Ousmane Sonko comme Québec bi nga a un Amna fa France Il y a soufflé ah. du tout ah. travail Vraiment, mm-hmm. vraiment livre de ku ça, ça, mm. ben, c'est assez fluide ça nous a pris un an Ça à dire que livre bi tout ça, sax sama entrée Pasteur. d'accord dañ non waxtaan ci développement waxtaan ci décentralisation parce que ñëpp xam nañ ne depuis 2014 depuis 2014 j'écris sur la décentralisation donc dañu doon waxtaan ci loolu euh, Marcel pour terminer il est 9h05 ci détail ngeen détail un petit peu ci communication parce que ñu bari ñu ngi naan euh, c'était l'instant était mal choisi et le lieu surtout dem ci benn euh, zone boo xamante ne c'est quand même zone à rébellion ci ci année yi ñu génn mhm. ñu wax waxu monnaie foofu noonu est-ce que déjà dans la population bu ñu leen transmettre message boobu ñoom duñ ko jëlee neneen est-ce qu'il fallait peut-être pas augmenter un petit peu les détails par rapport à cette population. J'ajoute que ce n'est pas le seul candidat de PASTEF. beaucoup ko va rentrer dans le Diomaye Faye à peut-être une ne pour le départ pourquoi moom chose seulement. Marcel Maron tu es un tu es un communicant. aujourd'hui c'est parce que wax qu'on en parle sur ce plateau. tout à ah c'est bien choisi alors. <laughs> merci merci beaucoup Moussa Balla merci beaucoup vraiment et puis continuez ah. cet excellent travail que vous faites. au niveau de la diaspora man le matin j'adore surtout ce concept de quoi. Euh, de quoi est-il le nom j'apprends tellement de choses et puis ça fait vraiment plaisir et puis c'est convivial le matin <laughs> ça donne plaisir ben merci beaucoup Moussa merci beaucoup. livre voilà les territoires <laughs> euh, les territoires du développement parus aux éditions L'Armatan, Mingini, euh, Moussa Balla Fofana Ousmane Sonko merci beaucoup merci d'avoir été avec nous ce matin jërëjëf Légui Légui, dañuy jàll ci une l'observateur à record